forum le forum du studio le forum du forum le forum du le forum du le forum du forum du le forum du forum Voilà, il vient d'être 18h16 euh, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et dans les localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Mainesoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Dans le forum de ce jeudi 24 novembre, nous, allons parler de décentralisation au Niger. La décentralisation parce que l'actualité nous le commande avec l'ouverture ce matin à Maradi des travaux de la troisième assemblée générale de l'association des élus régionaux du Niger à Réunis. Le thème retenu est le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales régionales du Niger, enjeux et défis. C'est la ministre déléguée à la décentralisation qui préside les travaux et pour Mme Maizumbu Hamsatou Idrissa, la mise en place de ce conseil régionaux participe de la volonté des autorités pour le renforcement du développement à la base. L'actualité nous, nous commande aussi de parler de décentralisation parce que c'est en principe aujourd'hui que devait être discutée la motion de défiance contre le maire central de Niamey. Ce sont des conseillers de la ville de Niamey qui ont déposé cette motion de défiance. Le vote n'a pas eu lieu parce que boycotté par les mêmes conseillers. Nous verrons un peu plus tard pourquoi. Avant le maire central de Niamey, bien d'autres maires ont été destitués, soit par les conseillers municipaux, soit par le gouvernement en conseil des ministres. On peut se rappeler la révocation à l'issue du conseil des ministres du 30 septembre 2013 du maire de la ville de Niamey, Omar Dogari, la destitution du maire central de Maradi, Kassou lors du conseil des ministres du jeudi 31 juillet 2014. Récemment, c'est la mairesse de Meirengaure, Asmaou Kwasiti, qui a été destitué par ses collègues à l'issue d'une motion de défiance déposée par un groupe de conseillers. Un peu avant, c'est le conseil municipal de la ville de Kolo qui s'est débarrassé de sa mairesse, Mme Salamat Souley, maire de la, mairesse de la commune urbaine de Kolo, qui, elle, affirmait avoir en fait démissionné de son poste bien avant. Nous allons ensemble réécouter les deux versions en guise d'illustration. Alors, pourquoi tous ces bruits Nous aurons certainement des explications avec nos invités. Mais avant, nous allons mettre l'accent sur un des aspects importants de la décentralisation. Il s'agit du transfert des compétences. C'est quoi ce concept Pourquoi le transfert des compétences est aussi important Pourquoi n'est-il pas encore effectif Autant de questions qui méritent des réponses. Comme invité pour parler de ces aspects de la décentralisation et de la gestion des communes, nous, avons M. Maman Ali, ou Ali Maman, il est conseiller de ville à Niamey et fait partie de ceux qui ont déposé la motion de défiance contre le maire de Niamey. Monsieur Ali Maman, bonsoir. bonsoir Merci d'être venu dans ce studio. Et nous avons aussi M. Samela Idi Dambouzou. Il est ancien directeur de la décentralisation au Haut Commissariat chargé de la décentralisation, mais aussi expert en décentralisation. Mhm. Merci, Monsieur Samuel, d'être là. Merci beaucoup. Euh, Et merci d'être venu. Et en principe, nous aurons aussi en ligne Monsieur Hassan Garba du syndicat des agents des collectivités territoriales sacotaines au titre de l'arrondissement communal Niamey 4. J'espère bien que Monsieur Hassan, vous nous suivez. Vous nous entendez, Monsieur Hassan Bon, nous verrons de toute façon euh, au cours de cette émission si Monsieur Hassan peut intervenir. Et nous allons donc euh, directement à Maradi avec euh, l'ouverture ce matin des travaux de la troisième assemblée générale de l'association des élus, régionaux du Niger Areni. Le thème retenu pour cette euh, rencontre est le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales régionales du Niger, enjeux et défis. Pour la ministre déléguée de la décentralisation, la mise en place de ces conseils régionaux participe de la volonté des autorités pour le renforcement du développement à la base. Je vous propose de suivre Madame Mezumbu Hamsato Idrissa, ministre déléguée à la décentralisation, ce matin à l'ouverture de ses travaux. Le choix de la décentralisation territoriale constitue pour le peuple nigérien un pari pour l'approfondissement du cadre démocratique, une option pour développer tous les mécanismes qui concourent à la promotion de la bonne gouvernance et surtout une voie appropriée pour conduire à bien l'approche du développement à la base. Aujourd'hui, un trait marquant de ce processus est l'implication progressive des populations locales dans la gestion de leur collectivité au regard des multiples attentes et défis à relever, notamment la satisfaction des besoins sans cesse croissants des services publics tels que la santé et l'éducation. La bonne gouvernance locale dans la mise en œuvre des plans de développement locaux et les programmes d'investissement. L'opérationnalisation du processus de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. Voilà la ministre déléguée à la décentralisation ce matin à l'ouverture de la troisième assemblée générale de l'association des élus régionaux du Niger à e ce matin à Maradi. Nous restons toujours à Maradi pour nous pour poser cette question. La décentralisation au Niger, quel bilan faut-il tirer après plusieurs années de mise en œuvre C'est la question que notre correspondant dans la région de Maradi a posée au président national de l'association des régions du Niger à e La réponse de Mohamed Anako. Le bilan qu'on peut faire, euh, c'est qu'il y a eu des avancées très significatives dans le cadre du processus de décentralisation, on peut noter euh, la mise en place du comité interministériel chargé de réfléchir sur les transferts de compétences et de ressources aux collectivités territoriales. Je pense que ce comité euh, est arrivé à un résultat vraiment très significatif, celui de la loi transfert de compétences et ressources aux collectivités territoriales. Euh, aujourd'hui, il reste les décrets de mise en application qui attendu incessamment. Et euh, aux dernières nouvelles, en tout cas, il y a une réelle volonté du gouvernement par rapport à ça, peut-être d'ici 2017, les choses vont démarrer. Le deuxième point, euh, c'est par rapport à l'élaboration des plans de développement régionaux. Je pense que c'est une très bonne chose que euh, les régions soient dotées aujourd'hui d'un outil très précis, l'outil de développement parce que c'est la mission des collectivité, en tout cas région. Je dis toutes les régions, les sept régions ont leur plan de développement régional. Le troisième point, euh, c'est par rapport à, la déconcentration, service déconcentré de l'État. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait à ce niveau. Donc, euh, au niveau du gouvernement, ils sont en train de les renforcer. Euh, en tout cas, au niveau des régions, nous avons remarqué qu'ils sont à notre service dans le cadre maintenant de l'Agence de développement de collectivités territoriales, donc l'ANFI, qui est la banque des collectivités, si je peux l'appeler ainsi. Ça, c'est une avancée significative. Il la création de cette agence parce que c'est l'une des conditionnalités de nos partenaires techniques et financiers pour euh, vraiment accompagner le Niger euh, dans cette marche vers la décentralisation. L'ANFIC aujourd'hui est euh, opérationnel. Peut-être ce qu'il y a, ce qui reste à faire, c'est la redynamiser parce que c'est une banque faut des spécialistes, il faut des gens qui se connaissent dans le domaine. Moi, je pense que c'est ça, en réalité, aujourd'hui, le problème. Euh, au niveau de l'État aussi, il faut que l'État mette la main dans la poche pour amener les partenaires, parce que c'est la condition des partenaires, pour que les, partenaires viennent nous accompagner effectivement dans la mobilisation de ces ressources. Tout le monde est d'accord. Mais c'est au niveau de l'État qu'on doit faire des sacrifices, malgré tous les problèmes que vous connaissez, pour, pour que ces partenaires-là nous emboîtent les pas. Voilà, donc euh, le président de l'association, le président national de l'association des régions du Niger, Areni, Mohamed Anako, ce matin à l'ouverture euh, des travaux de cette association à Nous revenons au studio et nous allons aussi euh, tenter de suivre Monsieur Hassan Garba. Vous qui êtes en ligne, est-ce que vous nous suivez Je vous écoute. Euh, merci d'accepter de, d'accepter cet entretien en ligne. Vous allez essayer de nous suivre en direct et après on reviendra à vous. Merci dans le studio, nous avons monsieur Ali Moman qui est conseiller de ville de Niamey et M. Samela Idi Dambouzoua. Vous êtes expert en décentralisation et ancien directeur de la décentralisation. Vous avez suivi les interventions de la ministre qui ouvrait les travaux de l'ARENI et puis euh, un peu plus tard euh, du président national euh, de, l'Association des régions du Niger. L'accent a été surtout mis sur le transfert de compétences et ce qui a été fait dans le cadre de la décentralisation. Un bilan élogieux, si on suit bien, Monsieur le Président. alors, avant peut-être de commenter ça, expliquez-nous ce que c'est le transfert de compétences. Voilà. Euh, bonsoir, donc, Monsieur Moumouni. Hamadou. Et chers euh, donc, auditeurs, je crois que la question que vous venez de me poser est une question qui m'inspire une métaphore. Une métaphore euh, que je qualifierais de réelle, en ce sens que parler du transfert de compétences dans un débat sur la décentralisation, c'est comme parler de l'eau au moment où vous parlez de la préparation alimentaire. Cela veut dire quoi Cela veut dire que son importance, hein. son importance. Cela veut dire que la question du transfert, elle est au cœur même de la décentralisation. C'est elle qui donne un contenu à cette politique publique de l'État. Je ne le dis pas comme ça de les airs, je le dis sur une base euh, juridique euh, fondamentale qui se trouve être euh, la Constitution de la République du Niger. En ses articles 164 et 165, l'article 164 qui pose déjà le principe de la décentralisation et le principe de la déconcentration comme étant les deux grands principes qui gouvernent l'administration publique nigérienne et donc qui en même temps prévoit que la République du Niger du point de vue de l'administration est animée par des collectivités territoriales et par des circonscriptions administratives. Lorsque vous parlez du deuxième principe, c'est-à-dire la déconcentration, eh bien la question du transfert de compétences, elle est au cœur de la déconcentration. Qu'est-ce que cela veut dire Le transfert de compétences n'est rien autre que l'État a pris la grande décision politique de donner la liberté aux collectivités territoriales, de donner la liberté aux citoyens infra, de donner la liberté au Niger réel de s'administrer librement. En le faisant, c'est un choix délibéré, c'est un choix conscient, c'est un choix hautement politique de l'État. Mais ce choix ne peut véritablement avoir un contenu pratique et réel que lorsque le transfert de compétences qui doit permettre aux citoyens lambda des Katako, aux citoyens lambda des Guidonumji, aux citoyens lambda des Karma, des Bitinkoji, de décentrer véritablement la décentralisation. Ah, est-ce que que il euh, s'agit concrètement, il s'agit concrètement ici pour l'État en même temps qu'il transfère les compétences à ses collectivités, il doit aussi et au même moment, de manière concomitante, transférer les moyens qui doivent permettre de réaliser ces compétences. Quelles sont ces compétences Les compétences que l'État, une très bonne question, les compétences que l'État a, a, a, a, transférées aux collectivités sont pratiquement de deux natures. Il y a ce qu'on appelle les compétences propres qui sont exercées par le maire en tant qu'élu, le président du conseil régional en tant qu'élu, du fait seulement qu'il occupe cette position. Et il y a les autres compétences qu'on appelle les compétences véritablement transférées qui sont au nombre de 19 que le Code général des collectivités territoriales, à savoir ici l'ordonnance 2010-54, a écoré pour dire par rapport à ces 19 domaines, eh bien la collectivité territoriale, s'entendant ici la commune et la région, est compétente en cette matière. Sauf naturellement dans cinq domaines autres où la commune ne peut pas agir, la région ne peut pas agir, il s'agit des domaines régaliens de l'État sur lesquels, si vous le souhaitez, on peut revenir. Les domaines, Mais pour les domaines régaliens sont la justice, la diplomatie, les affaires étrangères, la police et la défense nationale. Mais les autres domaines, c'est quoi Les autres domaines, c'est ce qu'on appelle le domaine du développement économique, social et culturel de la République. C'est des domaines que l'État a bien voulu partager avec les collectivités L'éducation, l'urbanisme, l'assainissement, la, culture, les finances, et le domaine, et que sais-je encore on va revenir peut-être de façon plus concrète sur ce domaine-là. Le temps de donner la parole. D'accord. Est-ce que de manière résumée, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à la question du transfert de compétences. Oui, mais quand on dit la finance, par exemple, en quoi ça consiste Est-ce que l'État laisse tout C'est la collectivité qui cherche euh, son financement C'est la collectivité qui cherche ses recettes Je vous prends un exemple. Je vous prends un hein? exemple. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire L'État du Niger transfère par exemple la compétence éducation, je prends le primaire, et dis je le transfère du point de vue de la construction des classes, du point de vue de la construction de la trine de tout, je transfère l'éducation aux communes. En même temps que ces actes, ça c'est des actes juridiques qui vont le consacrer. Ça peut être, il y a déjà les lois, ont posé les grands principes, il peut y avoir d'autres lois, il y aura des décrets, il y en a déjà eu, ont déterminé quatre domaines prioritaires sur lesquels déjà des choses ont été faites, sur lesquels, si vous voulez, on peut revenir dans les débats, dans les détails. Hmm. Mais déjà à ce stade, s'il transfère l'éducation, comme ce que j'ai eu à dire là, par rapport à l'éducation primaire, mais il doit en même temps les moyens qui lui permettaient, lui, État, au moment où c'est lui qui s'occupait de tout ça, il doit les transférer au niveau des collectivités territoriales. Et toute la grande question se pose comment faire ces transferts financiers en même temps si on fait le transfert de compétences. Merci pour ces précisions. Monsieur Ali Maman, vous, vous êtes conseiller, conseiller de ville. Vous avez exercé en tant que maire aussi. Le transfert de compétences, comment vous l'expliquez Bon. Aux citoyens simples. Oui, oui, simplement. C'est-à-dire que le transfert de compétences, cela voudrait dire que tout ce que l'État doit faire dans euh, la commune avant la décentralisation, que cela puisse être fait par aujourd'hui les organes élus. C'est en fait ça le transfert de, conférence, euh, le, transfert de compétences de manière euh, abrégée. Hmm. Alors, euh, c'est vrai que, disons, les moyens qui doivent être mis en place, souvent, naturellement, en tout cas, ça ne vient pas. Vraiment, c'est difficile, c'est-à-dire que l'État, l'accompagnement de l'État est dérisoire. Je ne dirais pas que ça n'existe pas, oui, ça, ça, existe bel et bien. Vous étiez maire euh, à la commune 2 euh, euh, si D'abord à la commune Niamey 1 et puis après Niamey, commune, 3. Niamey, 1 et Niamey 3. Hmm. Mais comment vous avez vécu ce transfert de compétences Parce que c'était quand même. bon, comme je vous dis, hein, c'était en 2003, de 2003 à 2006. Donc effectivement, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est difficile. Parce que la construction de classes, euh, c'était bon. C'est vrai, même si c'est payotte, les communes ont des difficultés à pouvoir construire des classes en dû. Euh, c'est vrai que l'État, comme de par le passé, contribue à construire des classes, des salles de classe, euh, comme toujours, mais c'est insuffisant par rapport, par rapport à la croissance, disons, de ceux qui doivent aller à l'école. D'accord. On va joindre notre troisième invité. C'est d'ailleurs qu'on a créé cette histoire de euh, classe payote. D'accord. Et jusqu'ici, il y en a encore. Nous allons joindre M. Garba Hassan, Hassan Garba du syndicat des agents de collectivité territoriale. bonsoir et merci de eh, nous suivre en ligne. Alors, eh, vous avez... bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir les invités, les grands frères, M. Euh, monsieur Ali et Amadou. D'accord. Et, vous les avez suivis, très bien. Comme vous avez suivi le président de l'association des régions, M. Anako, vous avez suivi, aussi la ministre déléguée. On a parlé de transfert de compétences. Vous, vous êtes syndicaliste à, la commune, euh, à la ville de Niamey. Oui. Comment vous définissez le transfert commune, de... Niamey 4. Voilà, commune Niamey 4, oui. Comment vous définissez le transfert de compétences Comment vous le vivez hein, euh, à la commune euh, 4 S'il vous plaît, ça seront parlé. Euh, le camarade Amadou a tout dit hein, sur l'article 64. il a tout dit elle est au cœur de la déconcentration, ça c'est vrai. Mais euh, si vous regardez, l'État, quand même, l'État a fait du sommeil. Parce qu'en dehors euh, des services de la mairie, l'État, il a fait un service déconcentré. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la forêt et faune, il y a le service social, il y a l'affaire scolaire, il y a génie rural, le euh, service planche nécessaire et autres pour venir assister les arrondissements. Et si vous voyez, euh, avant euh, l'arrivée de Omar Goudloubé, en ce les, communes s'autosuffisent. S'autosuffisaient Oui, effectivement. Dans, tous les domaines en, tout cas, euh, la compétence, il y a la compétence au niveau des arrondissements. La compétence, ça existe. Mais seulement, on ne donne pas aux gens, si vous voulez, la possibilité de faire leur travail. Ça, je vous assure. Qui ne donne pas cette possibilité Non, parce qu'on eh, on ne respecte pas les textes. Pas du tout. D'accord, mais... il y a des gens qui peuvent très bien accompagner. Il y a la compétence. Il y a des agents qui peuvent faire très bien le travail. Il y a des services qui peuvent euh, très bien faire le travail. Excusez-moi, monsieur, moi, c'est pas de la politique, c'est la réalité du jour. Oui, je vous suis. Nous vous voilà, suivons. la réalité des choses. Oui, oui, mais quand vous, Donnez-nous un exemple où ça marchait au temps de M. Dogari que, vous avez donné comme moi, exemple. Je n'ai pas, dit au temps de j'ai dit avant l'arrivée. Avant l'arrivée. là oh, oui, à hum. ce temps, euh, euh, euh lorsque les communes géraient leur gestion, avant la création du conseil de ville où tout est transféré au niveau de la ville. Ok, nous allons revenir à tous ces aspects-là pour. Euh, nous revenons au studio pour euh, suivre l'expert sur euh, l'appréciation que le président du conseil de ville, euh, le président de l'association, pardon, des régions du Niger, vous l'avez suivi, monsieur Anako, Je tire vraiment un bilan, disons, élogieux. Est-ce que vous êtes d'accord euh, Il a parlé du transfert des compétences qui est une réalité, mais il reste le décret d'application. Absolument. Vous allez nous expliquer tout cela Oui, j'ai bien écouté le président Anako en tant que euh, président donc euh, de l'ARENI, Association des régions du Niger, actuellement en atelier à Maradi, en Niger à Maradi, et je vous avoue, euh, j'étais d'accord avec lui sur le point relatif effectivement aux avancées de la décentralisation. Oui, même quand on est aveugle, même quand on est aveugle et qu'on analyse véritablement ce processus, il n'est pas du tout séant de dire pratiquement qu'il n'y a pas eu d'avancée. Et il y a eu, moi, au-delà de ce que lui, il a eu à dire en tant que président de la Réunion, j'ai dit, la première avancée de ce processus-là, quoi qu'on dise, quelqu'un qui vit dans une commune rurale dira sans détour qu'il a vécu les avantages de la décentralisation. Je vous prends juste un exemple. Un citoyen de la commune rurale de Safo un citoyen de la commune rurale de Gabi, un citoyen de la commune rurale de Ungurti, un citoyen de la commune rurale de Inates ne va pas me contredire quand je dirais que lui, il a au moins senti l'avancée de la décentralisation à travers les pièces d'état civil. Je ne dis pas faux. Ça, c'est une avancée inébranlable que personne ne peut effacer. La deuxième avancée de ce processus, elle est également la suivante c'est la matérialisation de la démocratie à la base. Ce qui vient d'être fait partout où vous avez cité, que ce soit à Birni, que ce soit à Kolo, que ce soit ici à Niamey hmm. on pense que ça a échoué, ça n'a pas échoué, on a tiré une leçon. Hmm. Qu'est-ce qu'on a constaté ou qu'est-ce qu'on tire comme leçon C'est la démocratie qui a, été, ici mise sur les rails, c'est le fonctionnement normal de la démocratie qu'on interpelle un dirigeant pour lui dire Monsieur le maire, ça ne va pas, nous voudrions que tu quittes ici. Mais ça n'a pas toujours été le cas au Niger. Et si ça existe aujourd'hui, c'est la décentralisation qui l'a permis. C'est des aspects positifs. Ça, c'est une avancée. Je veux dire ici, au plan politique, au plan démocratique, parce que n'oublie jamais, monsieur Hamado, la décentralisation est fille de la démocratie. Lui-même, le président de la Réunion, l'a dit l'approfondissement de la démocratie à la base. C'est-à-dire que la, vraie démocratie ou la première démocratie, c'est la démocratie régionale. Élire le président, élire les membres de l'Assemblée, mais la réelle démocratie, elle est à la base et c'est la décentralisation. Alors, quels sont les impairs que vous pouvez relever Que Dieu vous bénisse par rapport à cette question. Impairs, il y en a beaucoup. L'impair premier, et ça je le dis en âme et conscience, avec grand regret, quand j'ai été directeur de la décentralisation, même après quand j'ai quitté, je continue à former les acteurs locaux. J'étais venu, ça fait même pas une semaine. Donc ça veut dire que moi je suis un cadre central, mais trop moulé dans l'administration territoriale. La première des insuffisances de notre processus de décentralisation, c'est sa politisation à outrance. Malheureusement, on décentralise pour générer le développement. Au Niger, on a décentralisé pour décentraliser la corruption le vol organisé des ressources publiques, les quelques rares ressources qui rentrent, et la, la culture de l'incompétence dans le choix des cadres. Ça, c'est les maires qui le font, puisque nous sommes dans le cadre du transfert partout. de compétences, ou bien Ça, c'est pratiquement partout. Je te prends un exemple. Oui, Au moment où il y avait une aberration, où on permettait aux maires de choisir les receveurs. Moi, je suis énarque. Avant de faire droit, je sais de quoi je suis en train de parler. Le poste de receveur municipal on ne peut pas me démontrer que ce poste n'est pas technique. Il est technique et il doit demeurer technique si on voudrait la bonne gouvernance publique. Mais ce n'est pas le cas. À un certain moment, c'était je n'ai rien contre. On a tous été le fruit des enseignants. Vous amenez un enseignant diplômé de l'école normale tenir une caisse d'une commune. Qu'est-ce que vous voulez dans ça C'est des exemples concrets. Vous amenez un diplômé en mécanique générale, auto, détenir une caisse d'une commune. Qu'est-ce que vous voulez dans ça Vous nommez un secrétaire municipal, garagiste, à ce poste, qu'est-ce qu'il va vous apporter Un secrétaire général, professeur de CEG, qu'est-ce qu'il va vous dire C'est des exemples concrets. Nous allons permettre à M. Ali Moman, qui a quand même euh, qui a géré une commune. moi, je n'ai cité qu'une seule insuffisance. J'ai au moins 40 insuffisances des collectivités. Peut-être qu'on aura le temps de, parler de ces insuffisances. Mais voilà. On va donner le, le micro à Ali Moman. Et qui empêche à notre système de décentralisation de marcher. D'accord. Monsieur Ali, vous qui êtes au cœur, vous avez été au cœur, vous êtes actuellement conseiller, mm. et je ne cesse de le rappeler. Mm. Vous avez suivi le, président de l'association des régions, mm. tirant un, bon bilan, et monsieur Samela qui donne quand même des insuffisances. Oui, Où faut-il se situer pour vous Oui, en fait, le, bilan, il est d'une manière générale satisfaisant. C'est-à-dire, oui, oui, la décentralisation a été voulue par les populations nigériennes et par les autorités euh, politiques et administratives. Donc ça, c'est euh, indéniable. Maintenant, le résultat, c'est vrai que tout n'est pas rose. C'est vraiment difficile parce que euh, pour ce qui concerne par exemple les, recrutements, effectivement, les communes avaient la possibilité de recruter leurs receveurs. Ça, c'est avant la décentralisation, avant 2004. avant 2004. Actuellement, ce n'est pas le cas Actuellement, ce n'est pas le cas dans certaines euh, euh, surtout dans les arrondissements communaux et également euh, dans certaines communes, parce que bon, c'est des problèmes, il y a des problèmes financiers qui font qu'ils euh, ont du mal. Mais le processus est différent, parce qu'aujourd'hui, il faut, pour, disons, recruter un receveur ou un secrétaire général, n'est-ce pas, ou un secrétaire municipal, la, la loi a réservé, disons, la possibilité au conseil de donner son avis, c'est-à-dire euh, c'est un choix, mais quand même contrôlé par le conseil. Un choix partagé avec le conseil municipal. le municipal. vous, parce, que, euh, même s'il y a des candidatures, le maire doit proposer les candidatures au conseil et le conseil donne son avis. Hmm. Mais il est dit que, naturellement, l'avis, c'est-à-dire l'idéal, aurait été que le maire aille dans le sens de l'avis donné par le conseil. Ce qui n'est pas le cas, forcément. Dans certains cas, vous l'avez vécu. dans certains cas, oui les maires vont dans ce sens. Mais dans d'autres cas aussi, non. Parce que dans la loi, notamment, ils n'ont pas dit que le maire est tenu de suivre l'avis en, matière de recrutement. Donc c'est un peu pour ça que c'est assez complexe. Oh, peut-être que oh. euh, dans, euh, en faisant par exemple les, les arrêtés euh, d'application, peut-être qu'il y a lieu de préciser que oui, que l'avis doit effectivement conduire le maire à aller dans le sens euh, euh, euh, qu'a fixé le Conseil. Le Conseil. Oui, oui. Nous allons joindre... ce sens que la responsabilité est partagée. Mais sinon... Nous allons joindre Hassan Garba. Monsieur Hassan Allô, monsieur Hassan Apparemment, Monsieur Hassan n'est pas en ligne. Peut-être que nous allons revenir avec lui. Le temps de demander à Semela, qui est l'expert en décentralisation, Monsieur monsieur a soulevé la question de l'application, du décret d'application. <coughs> Est-ce que c'est ça qui est à la base de toutes ces insuffisances ou bien c'est ça qui fait que l'État ne déploie pas les moyens pour que le transfert de compétences soit effectif. Et, qu'est-ce qui fait que ça bloque Merci, Monsieur Hamado. Je dois vous dire euh, au passage, même quand j'avais quitté effectivement le poste du directeur de la décentralisation, j'ai fait partie du comité de transfert de compétences en tant que personne ressource, donc au niveau de la direction générale de la décentralisation. Donc pour le peu que je connaisse par rapport à cette question, du point de vue pratique et réel, voilà ce que j'ai à vous dire c'est vrai, les citoyens ordinaires et même l'homme politique qui n'est pas du domaine, il peut penser que la question du transfert de compétences est une question qu'on peut couper, qu'on peut régler comme on peut régler n'importe quelle question. Non, la question du transfert de compétences, M. Hamadou, c'est une question hautement transversale. Elle est, elle est traversée par beaucoup d'autres facteurs, de telle sorte que elle exige et pour l'État et pour les collectivités territoriales de la progressivité dans la démarche. Il y a eu beaucoup de rencontres pour essayer de voir, mais cette question de transfert, comment nous devons procéder de manière progressive, graduelle et prudente pour que ça ne se casse pas. Parce qu'une chose est de transférer une compétence à une collectivité, une autre est de la rendre capable de pouvoir faire mieux que l'État au moins. La grande question du transfert, c'est ça. L'État a l'obligation de transférer, mais il faudrait qu'il s'assure qu'en transférant, au moins la collectivité ferait comme lui ou plus que lui. C'est ce qui est recherché. Or, aujourd'hui, il a pris les lois, c'est pris, c'est clair, le transfert est consacré par des textes législatifs. Il a même créé un organe que les gens ne voient pas. L'enfect est créé dans le cadre de ces transferts de compétences, c'est une, sorte de banque pour les collectivités territoriales, chargée de glaner et les ressources de l'État et les ressources des partenaires et les redistribuer sur la base des critères que cette enquête-là aurait à arrêter. Naturellement, des critères objectifs qui tiennent compte de la démographie, de la mobilisation des ressources, des réalités de ces communes-là. Elle est là, cette enquête-là. Elle est là, même si elle n'est pas totalement fonctionnelle. Elle est, elle est là pour le moment. Le cœur de la question que vous m'avez posée, et de, savoir donc où est-ce qu'on en est. Effectivement, le décret, est pris, un décret est pris, un premier décret est pris. Il y a eu même ce qu'on a appelé une instruction qui a été donnée par les autorités au plus haut sommet pour déterminer quatre domaines à travers lesquels ou par lesquels on doit commencer le transfert de compétences. Puis les autres domaines vont suivre. Et ces domaines-là, ces quatre domaines, c'est ce qu'on appelle les domaines prioritaires des collectivités territoriales. C'est par exemple l'eau, mm. c'est par exemple l'éducation, c'est par exemple la santé. Mm. Ces domaines-là ont été retenus par l'État pour dire commençons par ça. Si ça marche, on ferait pour les autres progressivement. on va écouter Hassan Garba qui nous suit au téléphone. Bonsoir Hassan, vous êtes en ligne. Bonsoir, oui, bonsoir. vous avez suivi la question de transfert de compétences. Vous qui êtes avec les, vous êtes dans la réalité Comment ça c'est Est-ce que qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui fait que le transfert de compétences n'est pas effectif Bon, sincèrement parler, c'est ce que je viens, de le dire. La compétence, je vous assure, monsieur, la compétence se trouve dans les mairies. Je vous assure. La compétence, c'est Se trouve au niveau, au sein même de la mairie. Il y a des gens. Vous prenez le cas de la ville de Niamey oh, oh, oh, oh, C'est là où je connais. Il faut parler là où tu connais. Oui, allez-y. Moi, je vous assure que l'avancement de Nyanoula, là, vraiment, il y a des compétents à la mairie. Et ils le, savent aussi. Il y a le grand frère Alimom qui est là. Hein. Il sait très bien, il y a des compétents à la mairie. Il y a des gens aujourd'hui, si vous leur donnez une voix là, avec le matériel de travail, vraiment, ils peuvent vous faire un goudron, un pont, tout. Mais le, blocage, c'est où ah, le, le, blocage, c'est la politique. On nomme qui on veut, on homme, qui on veut. Si on veut que les choses marchent, vraiment, il faut un bon gestionnaire. Que le maire aussi soit un gestionnaire. Est-ce que vous voyez Le maire qu'il soit un gestionnaire. Il a une vision sur tout ce qui se passe. D'accord. Euh, nous allons euh, faire. On va arrêter. Des gens compétents. Et excusez-moi, je n'ai pas fini, monsieur. Oui, allez-y. Maintenant, par exemple, euh, maintenant, il y a Niamey, Niala, n'est-ce pas Oui. Si aujourd'hui à Niamey, il y a cinq arrondissement et la ville. Si aujourd'hui, on dote de tous les arrondissements le matériel de travail, vraiment vous verrez un changement. Je vous assure. Je vous assure, vous verrez un changement. Et s'ils le veulent, ils n'ont qu'à le faire. Moi, je leur donne six mois. Si, je vous suis bien, M. Hassan, en résumé, vous parlez de politisation, mais aussi du manque de moyens. C'est les deux principaux blocages. Non, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que eh, la mairie n'a pas les moyens. Non. La mairie a les moyens. C'est la politisation alors Non, écoutez, excusez-moi monsieur. On sait que dans ce pays, celui qui apporte de l'argent au pays, c'est la douane et, la, et, les collectivités. Vous le savez très bien. Il faut qu'il ait un suivi. Il faut qu'il ait la transparence. Voilà. Merci pour ces précisions. On va, on va attaquer le deuxième point de notre, de notre forum c'est euh, la gestion des communes par les maires eux-mêmes. Mais c'est en principe euh, aujourd'hui euh, que les derniers, hier du moins, que les derniers délais réglementaires pour la convocation du Conseil censé débattre de la motion de défiance déposée contre le maire central de, la ville de Niamey devait être votés. C'est donc aujourd'hui que le maire Hassan Sedou a finalement convoqué la session, une session boycottée par les conseillers nous avons ici euh, le, un, des conseillers qui, fait partie de ceux qui ont déposé la motion de défiance. Mais avant ça, peut-être euh, nous allons à, Colo, où il y a eu une autre motion de défiance. Et finalement, le maire a été, euh, le conseil municipal s'est débrassé de la mairesse. Je veux, écoutons tout de suite la maire Salamat Souley qui se débat, qui explique les raisons pour lesquelles on l'a destituée. Ce qui s'est passé réellement, c'est que là m'ont demandé de l'impossible. Ils m'ont demandé de leur donner des actes, je ne peux pas. Et suite à ça, j'ai les actes de cession des parcelles. quatre par conseiller, soit 1 million 000 par conseiller. Donc je ne peux pas, j'ai pris l'engagement de démissionner le poste de maire. Mais je vais rester en tant que conseiller, conseillère. Donc en fait, ce n'est pas que c'est une motion de défiance qui a été votée. Non, on n'a pas voté. On n'a pas voté. J'ai rendu ma démission bien avant l'heure de l'ouverture. Mhm. J'ai trouvé le préfet dans son bureau. Je lui ai déposé ma démission. J'étais venu dans mon bureau. Après, il n'y avait ni le préfet ni moi. Il n'y a pas eu de débat contradictoire pour faire passer la motion. Et ils ont, ils ont fait leur vote eux-mêmes. Ils ont appelé un huissier pour leur faire le PV. J'étais venu suite à une motion. Quand ils m'ont proposé le poste, je leur ai dit que je ne peux pas tenir leur comportement. Ils ont dit qu'ils ne vont pas me montrer ce comportement-là. Voilà, Madame Salamat Souley, maire de la commune urbaine de Kolo, qui a été démise de ses fonctions euh, de maire par le conseil municipal. On va écouter une autre version, euh, c'est celle du vice-maire, Sanda Boubacar, qui soutient pour sa part que le maire ou la mairesse a été déchu de son portefeuille pour incompétence et mauvaise gestion. Suivons-le. C'est une motion qui a été déposée le 6 octobre. Hmm. Elle doit convoquer la session dans un délai de 15 jours. Le maire refuse, c'est le représentant de l'État qui va convoquer la session, le vice-maire qui va présider. Normalement, elle doit démissionner 48 heures avant la date, hmm. mais elle a fait sa démission le jour de la session. Elle a parlé d'une question d'acte de session que les conseil auraient pris a fait notre demande pour demander quatre parcelles par conseiller. Elle a posé son cachet. C'est dans un délai de 10 mois. À chaque session, on retranche 20 000 francs dans l'indemnité du conseiller. Avant même l'expiration, il y a des conseillers qui ont payé plus de 300 000, d'autres 200 000. S'il a annulé le contrat, elle doit nous rembourser nos sommes. La dame, elle est incompétente. En même temps, elle est le receveur, elle est le vice-maire, elle est l'agent domanial. Elle cumule beaucoup de fonctions. On a entendu ce temps pour avoir les preuves concrètes, parce qu'on ne peut pas attaquer une personne si tu n'as pas de preuves concrètes. Voilà, deux versions différentes sur euh, la destitution par le conseil municipal euh, du, maire de Colo. <coughs> Excusez-moi, euh, nous allons, nous revenons au studio avec monsieur Ali Maman. Vous étiez maire, je ne cesse de le rappeler. Vous venez de suivre ces deux versions. Vous-même, vous avez déposé une motion de défiance qui devait être discutée ce matin. Vous l'avez boycottée peut-être rapidement les raisons pour vous Bon, pour ce qui concerne la ville de Niamey, non, non, mais la, Nous n'avons pas beaucoup de temps, vous allez... bon, puisque vous avez déjà introduit euh, donc, euh, la question de la mairesse, je pense qu'il va falloir l'évacuer avant de parler de On n'a pas beaucoup de temps. Maintenant, donc Niamey, voilà, pour ce qui concerne Niamey, dans tous les cas, euh, un certain nombre de conseillers de ville ont déposé une motion de, censure le 8, une, motion de défiance, pardon, mm. le 8 novembre et la loi, naturellement, en son article 67, dit que lorsqu'elle est déposée, euh, euh, la motion de défiance euh, donc doit être une session extraordinaire, une convocation de cela doit intervenir dans les, textes n'ont pas été respectés pour vous. Les textes n'ont pas été respectés, ceci est clair. Donc les textes n'ont pas été respectés parce que le 23, c'est-à-dire 8 plus 15 jours, ça fait le 23, donc c'est le dernier jour qui échoua naturellement les possibilités au maire de convoquer. Si de convoquer et de tenir, il s'agit de deux choses différentes, de convoquer et de tenir. Parce que la convocation doit intervenir du jours francs avant le jour de la tenue. Alors la question que de fond ici, que ce soit avec le maire central, que ce soit avec euh, celle de Non, non, mais c'est le euh, respect des lois. Il y, a Dans tous les hein. cas, dans tous les cas ici, c'est différent. C'est-à-dire que pour ce qui concerne la mairesse de Colo, hein, la question est simple. C'est-à-dire c'est elle-même qui a autorisé aux gens de prendre crédit, en fait, c'est ce que ça veut dire. Les actes de cession. Les actes de cession à crédit. Donc elle aussi, elle n'a pas ce droit. Donc par conséquent, si elle a, préféré démissionner, bon, je pense qu'en ce moment, le préfet n'a plus besoin de convoquer une session extraordinaire, puisqu'elle a démissionné. Mais dans le fond... Tout ce, tout ce que le préfet doit faire, c'est de convoquer si vous voulez, euh, avant 45 jours, parce que a, a un délai de 45 jours pour mettre en place, hein, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'un nouveau la maire Est-ce que ce n'est pas des questions de positionnement, des questions de leadership que non, quelqu'un qui, décide, quelqu'un qui décide volontairement de démissionner pas, n'avait pas elle s'est expliquée. Elle a... Non, mais elle, s'est expliquée, elle a donné crédit. C'est la même chose à Niamey aussi. Ah, ah bon, à Niamey, je ne peux pas dire. Là, je vous donne la possibilité euh, d'expliquer de, euh, la motion de défiance qui a été déposée hmm. avec tous les aboutissants. vous, avez euh, déjà expliqué, hein, les gens ont suivi sur, avec Oui, dans tous les cas, on a affiché dans toutes les communes, ça a passé dans les journaux, ça a passé à la radio, un peu partout. Donc, maintenant, la suite, qu'est-ce que vous allez faire La suite, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, puisque le maire a convoqué illégalement la session, parce qu'il y a les délais la session doit euh, se tenir le 23, au grand maximum. Sinon, vous partez hors délai. Si vous convoquez le 24, ben, vous êtes hors délai. C'est-à-dire vous violez délibérément la loi, puisque vous le savez. Même si vous êtes mécanicien ou vous êtes, euh, euh, je ne sais pas, maçon, à partir du moment où vous avez accepté d'être maire, vous devez assumer. Il y a la formation qu'on donne à chaque maire. À chaque occasion, vous dire, durant le mandat, presque tous les ans, il y a des formations de maires et des, adjoints. nous avons un à, en ligne pour retrouver Hassan Garba. Hassan, vous nous suivez Oui, je vous suis. Vous avez suivi, euh, Monsieur M. Ali Maman, les explications sur la décision du maire de Kolo. Euh, pour ce qui est de ce matin, est-ce que vous êtes avec les conseillers pour, pour la décision du maire central, la motion de défiance. Si si Est-ce que vous êtes avec les, conseils Qui, ont déposé la motion de défiance Et pourquoi je, En une minute. oui, cest si je soutiens les quoi. Oui, si le bah, syndicat, votre syndicat, bah, votre Bon, bon, bon, tout compte fait, tout compte c'est pas maintenant depuis combien de... Est-ce que, monsieur, s'il vous plaît, sinon... Allez-y, allez De temps, et eh, sinon, depuis combien de temps ils sont ensemble Ça fait longtemps. Et euh, il y a, y, de choses qui s'est passé bien avant euh, cette motion de, de, Donc pour vous, c'est pas, c'est pas pour les intérêts de la mairie. Ah, ah, en tout cas, moi, <laughs> ça les concerne, hein, parce que euh, suivant leur lettre, l'argent qu'elle a perçu, euh, les fournisseurs qu'elle a réglés, le solde au niveau des, des assurances et autres, tout ça, c'est maintenant que c'est sorti. Mais lui, mais tout comme fait, il n'est pas le seul responsable. Hein. merci, pour cette précision. il n'est pas le, seul responsable, d'autant plus qu'il y, a, les conseillers qui sont là pour l'épouler, pour l'aider. Oui. Ils l'ont élu en tant que président. Ce n'est pas parce qu'ils sont qu'il est plus intelligent qu'eux ou bien parce qu'ils connaissent mieux le travail qu'eux. C'est parce qu'ils l'ont choisi pour veiller sur sa gestion. S'ils voient qu'il divorce, merci pour cette précision. Se ensemble trouver une solution entre eux. Ah. Merci beaucoup. On va donner une minute à M. Somaïla. Euh, ces questions de destitution, euh, les maires qui donnent des versions. Euh, oui, allez, monsieur, on avait un maire. <laughs> oui, monsieur, nous sommes là. Monsieur, quatre sessions l'année. Oui. Et monsieur Hassan n'a fait qu'une seule. D'accord. Donc, donc ça rentre dans le cadre des fautes lourdes. monsieur Hassan n'est pas là. Merci, oui, merci. Voilà. Hassan. Merci, eh, beaucoup, monsieur Samuel, oui. Euh, merci beaucoup, monsieur le maire. merci, monsieur Hamado. Et la, la, de défiance des, des maires Monsieur Amado, euh, moi, ça me donne juste, euh, en une minute, hein, comme vous l'avez dit, ça me donne deux lectures. la première lecture que ça me donne, c'est que je l'avais dit quelque part. C'est une lecture positive de la question, c'est-à-dire la matérialisation de la démocratie, la vraie démocratie au niveau de nos entités décentralisées. Que le dirigeant public puisse se dire au moins, je n'ai pas le droit de tout faire, même lorsque j'ai été élu. Ça a été ça une leçon positive. la, deuxième leçon, maintenant, elle est négative, de mon point de vue. Pourquoi elle est négative Lorsque vous prenez les mobiles qui sous ces motions de défiance, et ce qui se dit également dans le couloir des entités décentralisées, on est quelque part dessus. Parce que, parce que, à un certain moment, on a comme l'impression ces motions de défiance ont souvent des connotations à dimension personnelle, à dimension politique, à dimension politicienne. Merci pour Et c'est là le regret. Sinon, motion de défiance, en tant que motion de défiance, a été prévue par le Code général des collectivités en son article 67, monsieur légal. C'est bel et bien légal et c'est la vivacité de la démocratie Merci. comme ça. Merci beaucoup, monsieur Samela, Vous êtes expert en décentralisation. Merci Merci, monsieur le maire, Ali Maman, conseiller de ville. Et merci à vous, monsieur Hassan Garba, qui nous écoutez, vous qui nous écoutez depuis Saï. Voilà, c'est la fin de ce forum. Nous nous retrouvons demain pour une autre thématique. Bonne soirée à tous.